Mr. Carl, Don la machine te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Tout se passe bien Ça a commencé en 2000. Tu te rappelles de ta première chanson en 2000 euh, oui, je me rappelle. Euh, C'était quoi en 2000 Qu'est-ce que tu as chanté en 2000 euh, J'ai fait une chanson là avec mon groupe qui s'appelait je vais te faire le refrain. Fais-moi le refrain, c'est ton groupe. Sale de putain, dégage, t'es là. Sale de pute, ah, dégage de là. <laughs> Pas besoin de toi, pas besoin de ton amour. Garde ton amour, garde ton amour pour toujours. C'était ta toute première chanson avec ton groupe. Eh Ensuite, tu as évolué en 2006, tu, as commencé, tu as entamé une carrière solo. solo Et avant la carrière solo, c'était le groupe Wasabois Vous avez quoi Wasabois vous avez un album ou des chansons On n'a pas un album, mais on a fait beaucoup de chansons. beaucoup, de chansons, et beaucoup de choses avec les gars. Alors, on va parler maintenant. Après, donc, à tu es revenu ah, pour donc une carrière eh, nous sommes en Nous sommes en 2006. Tu as commencé par quoi euh, quand je, En fait, j'étais retourné. À Tawa. Pour, pouvoir assurer. Oh non, pour chercher de l'argent et revenir. Renfort. <laughs> Donc avant, tu n'avais pas dosé et quand tu n'as pas dosé à jamais c'est pas possible. C'était compliqué. <laughs> Hein. Qu'est-ce que tu as fait à Tawadim pour avoir de l'argent Tu as fait Dandako Non, non, non. non. quand j'étais parti là-bas, comme j'avais une formation d'informaticien, il y avait Liptempo, Liptempo, sorry, qui avait ouvert leur siège là-bas. Donc uh-huh. j'ai travaillé avec Liptemfor. Pour avoir un peu dosé. Voilà. <laughs> Okay. Donc quand j'ai commencé à gagner de l'oseille, la musique est revenue. Tu as, as de la thune, Et hein, maintenant il faut. Tu, tu sais plus pour la. J'ai laissé la pour euh, euh, euh, le. Et tu as chanté quoi Qu'est-ce que tu as chanté le premier signe, c'était Gouvernance Gouvernance de violence. Ouais, je connais cette chanson. Voilà. Gouvernance des Violence. Politiciens, c'est nous, on veut la tolérance. Ah. Et après Gouvernance des violences, qu'est-ce que tu as chanté Tu as même euh, clippé ça Après ça, c'était C'est calme c'est calme. Mmh. Toute le monde en l'air, l'air. C'est Kala, Faut pas avoir peur, peur, peur. C'est Kala, tout le monde en l'air, C'est Kala. Pour rappel, pour ceux qui ont raté mmh. déjà l'émission, eh, ton nom c'est Ousmane. Euh... Ousmane Abdraman. Ousmane Abdraman. Kalao, Mr. K. Donc euh, les trois après. <laughs> Comme de, dit quoi, dit Daouda. Voilà, moi c'est Daouda, c'est mon nom. <laughs> Alors ce qu'on va faire. On va parler un peu de ton album. Tu as un premier album que tu as déjà euh, baptisé. Ouais, un premier album que j'ai pas officialisé, mais j'ai beaucoup de sons, j'ai fait des concerts, des euh, live comme d'habitude. Euh, mais pourquoi tu as opté de 2000 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans et toujours pas d'album Et doit parler de ça sur cette émission. Eh et, les jeunes ont envie de savoir pourquoi Carnaval. En, fait, moi, en fait, moi, je me suis dit une chose simple. C'est quoi la chose simple que Pourquoi tu faire un album que tu ne peux pas vendre à ah. l'extérieur donc, moi, je suis quelqu'un qui me forge toujours musicalement. Je pense que tu le sais. Je le sais, je sais. Parce que après côté rap, mhm. j'ai pris une guitare. Parce que je me suis dit, Cal, si tu veux te démarquer des autres, apprends à jouer un instrument. Bien sûr. C'est ce que je. Ok, pas d'album, mais tu as déjà l'album qui est en principe en poche. Ouais, bon, le titre de l'album. Hein. J'ai beaucoup d'albums. le, premier déjà c'était Foy Espoir, je pense, bien un truc du quoi. Ok, d'accord, super. Donc, euh, un album de comment de titres Qui euh, verra le bientôt Ça a été présenté Ouais, ça a été présenté. Tout dépend, ça peut être 12 ou 13, 14. Moi je, pense que cet album-là, je l'ai déjà mis à côté, c'est là que je travaille sur l'autre. Ah. Tu l'as mis de côté je Ça mis. ne sortira jamais Ah non, ça ne sortira jamais parce que eh, je suis en train de travailler sur un ah, C'est bizarre, hein, c'est la première fois que. Eh, les gars, hey, <laughs> eh, stop, stop, stop, en fait. Euh, ben, c'est une première hein, sur l'émission. Pour le un artiste qui, quand même, a 20 ans de carrière mhm. et qui a quand même présenté un album, ben, ben, il met l'album à la poubelle, il dit ben, il pense encore à notre album. Eh ben, pourquoi Explique-moi un peu. Ben, c'est un peu fou ça. parce qu'on est volé. 20 ans de travail. Parce qu'on est volé. Donc, du coup, l'album, euh, il est là il est là. J'écoute des sons, on preste avec les sons des fois. Mais l'album en tel, il ne va pas sortir, c'est un nouveau qui va sortir. C'est quoi le nouveau qui va sortir Pas des produits C'est l'album Guida. Guida qui va sortir oui. Guida, déjà, tu as enregistré combien de titres euh, J'ai enregistré presque 12, euh, je pense. 12 titres de Guida. Que, ouais. Tu as une idée de quand est-ce que Guida va sortir Parce que j'ai peur aussi à ce que Guida soit aussi. Non, non, non, non, il va sortir, t'inquiète pas. <laughs> Ah, tu as une idée de quand est-ce que Dida va sortir euh, Présentement, j'ai pas tous les sons avec moi. On est en train de reprendre certaines prods qu'on a. Faut pas abandonner Dida. Non, non, non, je veux pas abandonner Dida, bro. Non, non, non. On va parler cette fois-ci de ta toute dernière sortie, Mr. parce que cette vidéo, il faut le dire, ça cartonne. Et quand je vois un peu ton message à travers les réseaux sociaux, vous dites pourquoi quand il y a toujours des bonnes choses, vous faites semblant de ne rien voir. Expliquons cela sur cette émission. Euh, c'est un concept ou c'est quoi le truc Mais moi, je pense que c'est un problème c'est un problème de mentalité. C'est quoi C'est que je pense que les Nigériens, ont un complexe, un mhm. vrai, vrai complexe, mhm. qu'on ne veut pas soutenir ou bien quand on voit, on ferme les yeux. Parce que pendant un temps, je voyais les gens disaient non, sortez des bons trucs, tout ça là. Aujourd'hui, ils ont dit le clip là dont tu parles, mhm. tu sais pas, on a fait 10 mois sans ce clip là. Parce qu'on voulait sortir quelque chose et qui n'est pas habitué à la. Bref, moi, moi je me pose la question pourquoi en fait le son parle de quoi déjà et ça parle de la musique en fait. La musique. Music is my life. Music is my life. C'est quoi le titre de la, chanson C'est Mime, c'est mais music is my life. My music is my life. ça veut dire Music is my life. Ok parle moi un tout petit peu, euh, un peu de ta page Facebook et tout ce, tout ce qui va. voilà, je suis sur Cal hein? euh, Officiel. Cal Officiel. Et sur YouTube Cal Officiel. Instagram Cal Officiel. Officiel. TikTok Cal Officiel. Officiel. Voilà. Donc du coup, la chanson, elle est déjà YouTube. Voilà, elle est déjà sur, sur, sur Donc, du coup, tu vas sur la chaîne de YouTube de Mr. Cal, Cal Officiel. L'instant est solennel. Ton <laughs> message et ta question, tout ce que tu veux dire aux fans, ceux qui aiment la musique, c'est tout de suite et maintenant. Et mon message, il est il est simple, mais d'abord, je vais parler à mes frères artistes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se dise que c'est l'union qui peut nous faire avancer, peut faire évoluer notre musique. Les petites guéguerres, ça nous avance à rien. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire avancer ce mouvement-là. Et les fans doivent comprendre que aujourd'hui, s'ils nous voir à l'international, c'est et eux de nous pousser. Parce que chaque pays, c'est eux qui font grandir leurs artistes. Il n'y a pas de la magie. Aucune magie. C'est eh. pas... C'est l'union qui fait la force.